Tu connais la musique et tu sais compter. Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crèmes. Qui, creuse Toi, tu creuses. Qu'est-ce que tu mets comme disque Toi, tu creuses. Alors, change de disque. Qu'est-ce que tu mets comme disque Eh ben alors, creuse Il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Enfin, ce coup-là, on aura pour à creuser, c'est déjà ça. Nubiphone, j'en suis folle. Salut à toutes et à tous, c'est Armand de Prézo et Gizoziké. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Diggers of the Last Ark, notre euh, mensuel Nubiphone sur Rins. Au menu pour ce mois-ci, moi je vous ai préparé une spéciale euh, Bénin euh, années 70 avec des trucs un peu afrobeat et afro-latin. Et toi Guizot Moitié afro-jazz et Côte d'Ivoire. Ok, bah écoutez, c'est super. Accrochez-vous, mettez vos ceintures, c'est parti, ciao. Ciao. jẹwẹ bazeke nɔ lɔmɔ lãmetɔ gbele bɔ vitse lɔmɔ dazɔ jẹwɛ bɔ nyɛfɔ nyɛnɔ do tameliwɛ gbɛtɔ ɖokuia yitɔ maɖokui nɛ ŋde wa ye do koe ɖe nuɔ wezundaxɔ wɛdzafɔtse nu yẹwɔ ye mɔkɔtɔ tse mo nɔ gbɛmɛta ɖe wɛɖokui gomi wɛ mɔwɛ asitse tɔ dazɔ jẹwɛ bazeke nɔ lɔmɔ lãmetɔ gbele bɔ kɔtɔ tse bɛ jɛlɛ mo rɔ wɛmɔnyedanyɔnu ɖogbɛtse mɛ hã file. sodalikɛlɛ wɛ ɲɛnɔjɛnu eza hambo banu mi bɔ unu kaka boji lete fiye banu mi dele fiye nɛjɛ konyikoe do sangbetɔ nɔ damɔlɔ eto akpate do nukuwa nyɛwa fɔlɔ wele kɔba ihadze mi huinɔ kado nyefina si dzetɔ na zɔnjɛwɛ masitse nɔ lɔmɔ lamɛtɔ gbele bɔvitse lɔmɔ na zɔnjɛwɛ nyadze nɔ dzahanu mi gbe ndɔnu nyɔmono dzi nye kun ka sɔdza hanu kponu gbe o wenue mi ka dele mɛ sɔnu ba hanu munɔ o anomodze vivi dziɔ na yi do da fi gaxoe anomodza danu dɔ dziɔ wɛ na yi do da fi gaxoe akoba ko wa ba nu nye wa yi do da fi gaxoe o madɔ akoba ko wa nu nye wa yi do da fi o wadwa kuba kwa bami nunye wa ikwe do davi gakwe na bino mobomino molengi koto mpe bedika we bisayinga na tumembo mebikwinondo kpeteshi elekobowa togoye enubikwinondo kpeteshi avolontoi nijeliabo mebikwinondo kokoro amoyobovonondo kokoro amomekwonondo kokoro elekobowa beneye mebikwinondo sodabi sodabi asuka ni koto inonjololo kupe we amokoto kulozan we amakisa boloxɔnɔmɛ mewe, ukpɛvi mɛnyi kɔtɔn yenɔ jolɔndɔ ekpa kete yovo le nuno gari bon, yovo di dɔ dzi que c'est bon pour moi que c'est bon préparé que c'est bon pour moi que c'est bon préparé sodavide nɔna ɖo ode oɖe nɔna ɖo mewugbedzi tete wɛwɛ ganyi wɔna yovo ɖɔ sodavi nyɔwu wɛmɔ kwɛtɔa na do wana sodavi kɛrɛ de na do nuna yovo wɛmɔ kwɛtɔa na do wana sodavi kɛrɛ de na do nuna wɛmɔ kwɛtɔa na do wana sodavi kɛrɛ de

I rántí better, àyíngbẹ́tọ́ gbohun ẹ̀mẹ́ ekun ihu o. Thank you. Thank you. àìgbẹ́tọ́ àtàkùn mi mo rọ̀ṣọ́ jẹ rántí ẹ́ àìgbẹ́tọ́ pohùn ẹ̀mẹ́ ekun ìhù ẹ̀ ló gbẹ o. Thank you. four. piedra me pousser dans la mer, mais tu te retrouves dans mes bras. Je t'en supplie, écoute-moi. Tu es pour moi toute ma vie, tu es mon soleil et ma richesse. Tout Antoine que de écoute cette musique. C'est pour toi que je l'ai faite. Viens, Lynn, écoute cette musique. C'est pour toi que je la chante. de nos caresses, oui tu te souviendras de nos ivresses. Si un jour je devrais partir, il te restera cette mélodie. Oui tu te souviendras de nos caresses, oui tu te souviendras de nos ivresses. Si un jour je devrais partir, il te restera cette c'est pour toi que je l'ai faite. Lynn, écoute ma mélodie. C'est pour toi que je la chante. Écoute donc cette mélodie amoureuse que j'ai cherchée dans la forêt du rose. Laisse-moi te la chanter les soirs lève-moi de la souffler à l'oreille. de cette première émission euh, spéciale Bénin années 70 qu'on clôture avec l'incroyable morceau Jean Famani de Didier Kone et le tout-puissant orchestre polyrythmo de Cotonou. Et euh, on va enchaîner sur euh, la seconde heure de notre ami Guizot, dédié à l'afro-latine et afro-jazz. A tout de suite tu vim agabori agabori anenga Je vous parle d'une fille, elle est une beauté de fer, semblable aux filles du Sahel. Elle m'a dit que son amour est bambata. Je demande de temps en temps si elle m'aime encore un peu. Elle me répond gentiment si tu sais que mon amour est bambata. l'amour n'est pas raciste, il t'amène sans frontières. L'essentiel est de s'aimer. Amina, oui, notre amour est Bambata. Irma koi, koi, koi, Irma koi. Irma koi, koi, koi, Irma koi. mọnìyàn ò lè nú kò mọ fún ọ. Mọ̀nàmọ́ ẹ́ ẹja bẹ́ẹ̀ bí sá o mọ̀nàmọ́ ẹ́ ẹja bẹ́ẹ̀ bí sá o mọ̀nàmọ́ mọ̀nàmọ́ lè nú kò lè fún ọ. Mọ̀nàmọ́ lè nú kò mọ fún ọ. Bíyèsí ẹ̀ ẹja bìyẹn bí sá nìyẹn bíyèsí wa esi ɔbɛ adresi emele be kamɔ bi yesua yesua ole nu ŋlɛ lɛ da fẹ́ Jésù ènìyàn ò lè nú sí kiri máa fọ́. Jésù ẹ̀ jẹjẹ yabi sa o Jésù jẹjẹ yabi sa o Jésù Jésù ò lè nú mọ̀lẹ́lẹ́ fọ́ Jésù. ebi sani ẹbi esu aka mọ sẹfọ bi ebi sani ẹsi ẹbi esu aka mọ yesua ole nu mu lẹlẹ pọ yesua ole nu ko mo pọ yesua eh. ye yedza yẹ mi sa o yesua eh. ye yedza yẹ mi sa o yesua eh. yesua ole nu mu lẹlẹ pọ yesua ole nu sèrè ma pọ. Mama! esi amara ndere be ndere be ka mara mo esi amara ka mo ye ba ji so ni ya ya mara mo o le nu ngule le wo ya fe mara mo ni ya o le nu ko mo wo mara mo e ja bra mi sa o mara mo e ja bra mi sa o mara mo mara mo o le nu ngule le wo mara mo o le nu ko mo wo eh adiama mo radio bɔ mɔtɔnɛ bɔ mbala ni omi sura nu bala bi yɔ bala ŋmɛlɛ bɔ gansa bɛ filɛ ŋmɛlɛ wɔ numa ti di wa bɔ bɛ filɛ fa wɔ ni bɛnzɛma yɛ bi esua bi la wɔ bɛlɛ ni ɛni yabɔ nɔ ni bi esua ma tama iki biɛ sɛnsuwo bɔbɔ yi onu a wɔn wɔ yɛ ma sɔ wosɔ afɛ bɛ kana ba ha manu kɛ nate nate wala ɔmɔla nu yóò mi esi lɔnu báyìí káàtì ẹ̀ máa kọ̀ kí ẹ̀ kọ́ sẹ́kì láti èbúrú akọ̀ abẹ́ bálábọ̀ kéde mi esi lɔ dza nẹ múnyẹ́mà bọ́ngẹ́dẹ́ ma mi esi lɔ yóò yẹn yọ sẹ́kọ́ mi esi lɔ alábọ̀ kéde mi lakpa dza nẹ múnyẹ́mà ayi bọ́ngẹ́dẹ́ ma yóò yẹn yọ kó sọ́rí ara lọ́wọ́ abàwọ̀nà ẹ̀wọ̀nà dídá yíyá rẹ̀ bí ekò dza yìí ti èyí yóò ń bọ̀ ọmọ I'm a collaborative. Yesua e Eja bia mizani ya Yesua kama Eba bia mizani ya Yesua Yesua ole nu mulele fo Yesua ole nu komo fo biabisa o oh, biesa seja biabisa o oh, biesa biesa o oh, le nungo la la po o le nungo mo boy. basua ka mɔ abere bi ebi sɛ onia basua basua le nu ŋmɔlɛ le moɔ yafɛ basua nia wòle nu kpɔmɔmɔ yesue yedzabla bi sa o yesue yedzabla bi sa o yesue yesua wòle nu ŋmɔlɛ le moɔ yesua wòle nu kpɔmɔmɔ. my bro. notre 15e émission. Merci à Rins, merci Armand. Rendez-vous dans un mois pour continuer notre exploration musicale dans le monde de l'afro-musique. A très bientôt, portez-vous bien, profitez du soleil. Bye. Oh mon mari, je croyais que tu m'aimais, tu m'es trompé, tu beaucoup de maîtresses. Tu pour ta maîtresse, tu pour ta maîtresse. Moi, ta femme, tu m'as rien donné.